forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Voilà, il est 18h15. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou. Au micro, Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Amphani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs-lieux des régions. Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Birningaure, Chirozirine, Magaria, Mainensorwa, Tamaské, Bouza, Dolbel, Meyaï et Saï. Ce jeudi 1er décembre, c'est la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le sida. Selon l'ONU le sida, cette terrible maladie, a déjà fait quelques 35 millions de personnes décédées depuis que les premiers cas ont été déclarés dans le monde. 78 millions de personnes vivent d'avec. 18 millions de personnes sont désormais sous traitement antirétroviraux. Il y a eu des avancées malgré ces chiffres effarants. Beaucoup de pays sont sur la bonne voie pour éliminer la transmission du VIH de la mère à l'enfant. Des progrès, certes, constate l'ONU-SIDA, mais beaucoup reste encore à faire. Par exemple, le nombre de nouvelles infections ne diminue pas chez les adultes et le risque est encore plus élevé chez les jeunes femmes. C'est pourquoi le monde s'engage à en finir avec l'épidémie d'ici 2030 dans le cadre des objectifs de développement durable. Au Niger, selon l'enquête 2012 et EDSN Mix, la séroprévalence est passée de 0,7% en 2006 à 0,4% en, 2012. Euh, Dans le même temps, la mortalité des enfants de moins de 5 ans a baissé de près de 40%, celle de mères de 17%. Le Niger qui se joint à la communauté internationale pour célébrer cette journée sous le thème Levons la main pour la prévention du VIH. C'est avec une pensée particulière aux forces de défense et de sécurité la cérémonie officielle a d'ailleurs eu lieu à Niamey au camp militaire Bagajia. Euh, Alors, dans ce forum, nous allons mettre l'accent sur la définition de la maladie, la vie avec la maladie, la prévention et la prise en charge. Et pour nous accompagner, nous avons comme invité dans ce studio, à notre droite, Dr Anki. Vous allez vous présenter. Je suis Dr Anki Haye, spécialiste des maladies infectieuses et tropicales je travaille de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH à l'hôpital national de Niamey. Merci docteur d'être venu. Bonsoir à toi, à vous, pardon. Et à ma gauche, euh, Avocat Sidi Koumeiga, le président de la Fédération nigérienne des personnes vivant avec le VIH. Bonsoir Aboukar. Bonsoir. Et merci d'être venu. Alors, pour planter le décor, nous allons, euh, je vais à ma droite avec docteur qui va essayer de nous définir ce que c'est le sida. Euh, merci à Sido Klangou. Avant de définir la maladie, je préfère, je préfère revenir sur un tout petit peu des chiffres que vous venez de donner. C'est vrai, mais il faut donner quelques précisions. Il n'y a pas 78 000 personnes qui vivent avec le VIH, mais il y a 18, 78 millions de personnes qui ont été infectées par le virus, mais actuellement, il y a 36, millions 500 personnes qui, sont, qui vivent avec la maladie. Merci pour cette précision. Que 35 000 de personnes ont été, sont décédées de cette maladie. pour la séroprévalence, ça commence à, c'est de 0,8% en 2006. 0,7 en 2010 et en 2012 nous sommes à 0,4. C'est les quelques précisions que je voulais euh, apporter. Nous allons y revenir. Merci. Maintenant pour la définition, si je dois donner la définition littéraire que tout le monde connaît, le sida, c'est une maladie causée par un virus qu'on appelle le VIH, virus de l'immunodéficience humaine. Qu'est-ce que ça veut dire C'est un virus qui s'attaque au système de défense de l'homme le système de défense, donc le système immunitaire. Quand ce système est atteint, affaibli, les autres maladies profitent pour donner ce qu'on appelle le sida. système immunitaire Le système de défense de l'organisme. L'autre, le système qui défend notre corps. Chacun a dans son organisme des cellules qui le protègent, qui font que quand une, une maladie veut attaquer, c'est le système-là qui va le défendre. Donc c'est ce système-là que le virus va détruire. Une fois que le système est détruit, on n'est plus protégé. On a le sida. Et les autres maladies vont profiter. Et c'est la fait qu'il y a ces maladies opportunistes qui profitent de l'opportunité que notre, notre système est détruit, qu'on appelle le sida, qui donne le syndrome qu'on appelle le sida. Quelques maladies opportunistes La tuberculose, le, la cryptococose, la, la toxoplasmose, c'est vraiment des termes médicaux. Mais si tu veux, c'est toutes les infections que, quand tu es en bonne santé, ne peuvent pas attaquer ton organisme. Merci pour ces précisions. Je avec euh, Abouakar. Vous, vous êtes patient. Vous connaissez bien la maladie. Vous vivez avec. Si on voulait définir euh, cette maladie, qu'est-ce que vous allez dire Merci d'abord de nous avoir euh, invités et associés à ce débat. Merci à Kalangu. Euh, définir, je ne peux pas aller au-delà de ce que le médecin spécialiste à la matière vient de vous dire vous a dit que c'est des termes euh, vraiment médicaux. Euh, l'essentiel, c'est qu'il faut comprendre que euh, le sida, ce n'est pas le nom, du virus, mais ce sont les conséquences du virus. Le sida, c'est le syndrome qu'on acquit une fois que le virus est dans le corps non traité. C'est-à-dire qu'il va revenir là-dessus si on teste la personne et qu'on voit, on constate qu'il a le virus et qu'automatiquement on le met sous traitement, il peut ne pas développer la maladie du sida. Tout comme si la personne est déjà dans cet stade de maladie du sida et qu'on le prend à temps, on le traite, on peut le faire sortir de, cette maladie, de cette stade maladie sida. Donc il redevient tout simplement une personne qui vit avec le virus du sida, c'est-à-dire le VIH, mais il n'est pas malade du sida. Comme, vous Par exemple. Alors, ça fait combien d'années que vous êtes avec la maladie Ça me fait environ 15 ans, 15 hein, ans sous traitement, sinon avec la maladie, 16 euh, ans, 16 ans. 16 ans. Et comment vous avez découvert Ce n'est pas de la magie, c'est le test. C'est le test. À l'époque, c'était vraiment euh, l'époque sombre de cette situation, c'est-à-dire du, du, sida un peu partout dans le monde, en particulier chez nous, où à l'époque on avait même des difficultés euh, d'orientation, on ne sait même pas à qui s'adresser à l'époque. À l'époque de dis Sida, même le médecin te fuit, même eux qui sont médecins à l'époque, moi je connais des médecins qui m'ont fui à l'époque, mais je les comprends. C'était une situation qui faisait peur à l'époque, eux-mêmes n'ont pas vraiment beaucoup d'éléments à l'époque pour pouvoir faire face à la situation. Donc euh, moi, il fallait que je quitte même le Niger, aller jusqu'en Côte d'Ivoire, faire mon test de... C'est en Côte d'Ivoire qu'un médecin proche a pu me faire le test d'abord à mon insu pour essayer de connaître de quoi est-ce que je souffre. Et quelques temps après, euh, quand j'ai mis la pression, il m'a dit réellement ce qui se passe. C'était très dur. Très dur, c'était en 2001. Oui. Mais vous avez pris votre courage à deux mains pour, pour le dire au public. C'est une autre étape. Oh, écoutez, là, si nous sommes aujourd'hui dans votre studio, pouvoir parler de cette manière, c'est parce que on a mis tout derrière nous et en face, euh, nous regardons l'avenir. Et si aujourd'hui la situation est un peu améliorée, comme vous le constatez, c'est parce que euh, certains d'entre nous pas seulement ma modeste personne, euh, se sont euh, sacrifiés pour pouvoir plaider pour la bonne cause. Docteur, vous qui êtes avec les malades, comment vous avez vécu les premiers instants de, cette maladie qui, fait, qui faisait peur, qui fait peur actuellement Il a tout dit, hein. il a dit. Je me rappelle dans les années 2000, pas très loin, 2000, hein quand on dépiste un patient, c'est un problème. Tu ne, sais même, tu ne veux même pas le rencontrer, tu ne veux même pas le voir, parce que tu ne sais pas quoi lui dire. Et on les dépiste, on ne les informe pas. C'est à travers les fenêtres, on dit c'est l'autre là-bas, là. Parce que tu n'as rien à lui proposer. Nous-mêmes, on se demandait qu'est-ce que tu vas dire. Au mieux, tu vas dire à la personne, non, si tu fais la diarrhée, viens, on va te donner des perfusions. Si tu fais la fièvre, on va te casser la fièvre. Mais on n'avait rien à proposer. C'est vrai ce qu'il a dit. Et ce qui est encore plus vrai, on fait, le dépistage, on sait que la personne est malade, mais il a fallu que les personnes vivant avec le VIH se sont vraiment mobilisées pour nous trouver les médicaments. S'il y a quelqu'un qui a fait ce combat, c'est vraiment les PVVIH, les personnes vivant avec le VIH. C'est eux qui ont fait le combat et nous, ils nous ont aidés à trouver les médicaments pour les prendre en charge. Et aujourd'hui, les choses Aujourd'hui, j'ai pas peur parce que même on dit il faut informer la personne, il faut demander d'abord son consentement. Maintenant, j'ai pas peur de dire à quelqu'un je veux te faire le test ou bien dire à quelqu'un un tel qui a telle maladie parce que je sais que j'ai quelque chose à te proposer. Je te dis, tu es malade, mais je sais que de l'autre côté, je peux t'aider à ne pas être malade. Ce n'est plus difficile. Maintenant, vivre avec les patients VIH n'est plus un problème. Alors, juste une petite différence entre le stade de la maladie et le stade euh, initial, le stade zéro. Euh, euh, il a, l'a dit. je préfère peut-être donner des explications plus imagées. Peut-être que ça peut, nous aider. Ça peut aider. Imaginons par exemple le Niger avec euh, tous ces problèmes d'insécurité des militaires. Si aujourd'hui, jusqu'à présent, Niamey, on n'a pas les rebelles à Niamey officiellement, c'est parce qu'on a des militaires là-bas qui les retiennent. Imagine un seul jour qu'il y ait une maladie qui détruit les militaires nigériens. Le lendemain, on aura les rebelles ici. C'est la même chose. Dans l'organisme, on a des soldats. On a un certain nombre de soldats. Ce qu'on appelle le CD4, un peu plus concrètement. Et il y a un certain nombre qu'il faut pour que notre organisme soit protégé. Et on, estime ça à autour de 1000 à 1500. Donc quand je ne suis pas infecté, j'ai autour de 1000 à 1500 soldats qui me protègent, qui protègent mon corps. Une fois que j'ai le virus, il va commencer à détruire ces soldats-là. Et c'est progressivement. Chaque année, il y a un certain nombre de soldats qui partent. L'organisme fabrique c'est comme ça, quand nos militaires meurent, on recrute, ainsi de suite. L'organisme, mais avec le temps, l'organisme, les capacités de régénération vont être dépassées. L'organisme ne peut plus faire de soldats et ça va continuer à diminuer. Et les maladies là vont commencer à apparaître quand nos soldats sont moins de 500. On était à 1000, 1500. On est arrivé à 500. Et imaginez des gens qu'on prend avec des CD4 à 1. Des CD4 moins de 100. Mon président n'est pas hors de cette, ce, niveau-là. Oui, mais euh, on donc, a, Donc, eux là, ils ont des CD4 à plat. Maintenant, quand on met les traitements, les ARV, les ARV ne sont pas là pour guérir la fièvre, la diarrhée. Non, ils vont arrêter le virus qui détruit les soldats. Une fois qu'il n'y a plus quelque chose qui détruit les soldats, notre corps va encore faire ses soldats il va encore produire d'autres soldats qui vont faire en sorte que la personne va sortir de la situation de sida. Comme il l'a dit, tout est question d'arrêter la multiplication du virus pour permettre à l'organisme de sécréter, de fabriquer ses soldats. C'est tout. Voilà, merci beaucoup pour ces précisions sur la maladie. Nous allons observer une petite pause, de temps d'aller euh, de parler de la cérémonie. Je le disais en titre, le Niger s'est associé à la communauté internationale pour célébrer cette journée mondiale de lutte contre le sida. À Niamey, c'est le camp militaire Bagagia qui a été choisi par la coordination intersectorielle de lutte contre le VIH-Sida. Et euh, euh, je vous propose de suivre ici euh, les explications de la coordinatrice du SILS sur la situation en Afrique, vous avez six qui tirent l'épidémie. Et parmi les six, vous avez au moins quatre qui nous concernent. Vous avez le Nigeria qui tire pratiquement l'Afrique de l'Ouest. Vous avez la Centrafrique, vous avez le Cameroun, vous avez le Tchad. Et tous ces pays sont concernés par le phénomène Boko Haram. Et il y a une certaine stabilité au Niger, particulièrement au niveau de l'Est, au niveau des Difa, qui fait que vous avez un reflux de ces populations vers nos régions. Imaginez l'interaction assez forte entre ces populations-là qui nous viennent, que nous sommes obligés d'accueillir pour des raisons humanitaires et non populations où nous avons 0,4%. Vous avez plus de 10% au Nigeria, plus de 7% au niveau de la Centrafrique, plus de 3% au niveau du Tchad. Et toutes ces populations se retrouvent avec nos populations qui ont 0,04%. Imaginez notre crainte. Notre crainte, c'est que l'épidémie risque de flamber dans les prochaines années si nous ne redoublons pas d'efforts. Je n'aimerais pas qu'on se dise qu'on a 0,4. 0,4, c'était en 2012. 2012, on ne connaît pas, on n'a pas connu le phénomène de Boko Haram. Aujourd'hui, nous sommes en train d'attirer l'attention des gouvernants sur les populations telles que les jeunes sur des populations telles que les FDS qui assurent le maintien, qui sont partout. Partout vous avez ces instabilités, ces forces de l'ordre sont là. Partout vous avez, le Niger participe de plus en plus au maintien de la paix dans le monde. Et pratiquement c'est des pays, la Côte d'Ivoire, c'est un pays où la séroprévalence est plus élevée que la tienne. Donc le message principal c'est que nous devrons nous réveiller et ne pas se fier à ces 0,4 parce que le contexte a changé, l'environnement a changé et nous devrons alors continuer la prévention. On a bien dû de lever la main pour montrer que nous sommes en phase avec la prévention. Vous avez entendu la musique. Alors, on ne peut pas empêcher d'avoir des relations sexuelles. Je suis médecin. Mais on peut quand même demander à ces populations de se prémunir. Et le meilleur moyen, je pense que c'est l'utilisation du préservatif pour prévenir. Le meilleur moyen, c'est de faire dépister pour traiter les personnes et éviter le sida. Parce qu'on dit bien éviter le sida d'ici 2030, mais on ne dit pas d'éradiquer le virus. C'est le, sida maladie qui tue, c'est pas le virus qui tue. Donc, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on accélère pour que d'ici 2020, il n'y ait plus de sida et qu'on oublie le sida en 2030. C'est ça l'objectif que nous avons signé avec l'ONU sida. À un certain moment, il y avait une rupture des ARV. Est-ce que ces ARV sont disponibles actuellement Oui, les ARV, je dirais, sont disponibles parce que la coordination intersectorielle est là pour ça, pour faire en sorte qu'il y ait les médicaments au Niger. Maintenant, vous connaissez la faiblesse du système de santé. Le Niger est profond, le Niger est grand. D'ici, DIFA pour amener les médicaments, c'est lié au système de santé. Mais nous sommes en train de tout faire avec l'appui de nos partenaires, notamment le Fonds mondial de lutte contre le sida, qui met plus de 10 milliards dans la lutte contre le sida. Nous sommes en train de tout faire pour que le minimum soit au Niger. Par rapport à la discrimination, je vous informe aujourd'hui que ça a été unanimement reconnu que c'est la stigmatisation, la discrimination qui fait en sorte que les pays n'arrivent pas à atteindre les objectifs. Pourquoi Parce que tant qu'il y a cette stigmatisation, tant qu'il y a cette discrimination, les gens vont hésiter à aller se faire dépister. Alors que c'est le dépistage qui est la porte quand même du traitement. Donc la discrimination existe. Elle existe dans les foyers de ces personnes-là. La discrimination est là dans les services de santé. Donc nous faisons tout pour rendre l'environnement favorable. Nous sommes en train d'accélérer l'élaboration ou je dirais euh, la production des textes d'application pour que toute cette communauté soit informée par rapport aux dispositions de la loi. Et je pense que la loi n'est pas faite pour condamner les personnes. Elle est là pour protéger les personnes. Les personnes vivant avec le VIH comme les personnes qui n'ont pas le VIH. Mais ça permet vraiment, comme je l'ai dit, de rendre l'environnement favorable et de faire en sorte que tout un chacun puisse se dépister à l'aise, puisse porter le virus à l'aise et puisse vivre normalement. Beaucoup de citoyens traînent les pas pour se faire dépister. Pourquoi ça traîne vraiment, comme je l'ai dit, le principal handicap, c'est justement cette stigmatisation-là, qui fait qu'une personne qui est dépistée ou une personne qui voit l'autre personne séropositive, comment elle est traitée, même dans sa propre famille, c'est ça qui freine principalement. Donc nous allons mettre de l'énergie pour éviter cette discrimination et amener tout un chacun à aller euh, à, l'aise au niveau des services de santé pour se faire dépister. L'autre stratégie sur laquelle nous allons insister, le ministre de la Santé l'a dit, c'est par rapport au C10. Le C10, c'est quoi C'est le dépistage à l'initiative du soignant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que n'importe qui fréquente un service de santé pour n'importe quelle raison, on doit lui offrir, on doit lui proposer le test de dépistage. Parce que nous sommes un pays vaste. Nous avons une séroprévalence de 0,4. Nous avons 49 000 personnes attendues séropositives que nous devrons mettre sous traitement. Aujourd'hui, nous sommes à environ 14 900 personnes. Il faut les chercher, ces personnes-là, pour permettre la survie. Et pour les chercher, il faudrait qu'on utilise tous les moyens. C'est pour ça que nous allons mettre l'accent sur le dépistage. Que toute raison qui amène quelqu'un dans un service de santé, qu'on lui propose le test, c'est ça qui va nous permettre de capter ces 2100 personnes qui nous restent à mettre sous traitement. Voilà, nous venons de suivre la coordinatrice euh, intersectorielle de lutte contre le sida, docteur Zenabou. Euh, alors, nous restons toujours à la cérémonie, cette fois-ci pour écouter le ministre de l'Intérieur qui assure l'intérim de son homologue de la Défense et qui a assisté à la cérémonie parce que ça s'est déroulé au camp militaire Bagagia. Et selon M. Bazou Mohamed, si les forces de défense et de sécurité sont à l'honneur cette année, c'est parce que des études ont démontré que les tendances du taux de prévalence du VIH sont en hausse chez les forces de défense et de sécurité. Suivons-le. Si les forces de défense et de sécurité du Niger sont à l'honneur cette année, c'est parce qu'elles doivent faire l'objet de plus d'attention dans ce domaine à cause du contexte bien particulier de ces derniers temps. En effet, comme vous le savez, nos vaillantes forces de défense sont sursollicitées par ces temps de défi sur plusieurs théâtres en même temps. Nos forces sont présentes sur toutes nos frontières et à l'intérieur du territoire et elles participent en cela fortement au maintien de la paix. Les forces sont en veille constante pour assurer la sécurité de notre pays. Cette situation de pression particulièrement exacerbée ces derniers temps, loin de leur famille pendant plusieurs mois, augmente les risques d'exposition de contacter les virus et notamment celui du sida. En 2012, la prévalence du VIH au sein de la population générale était de 0,4% dans notre pays. La dernière enquête de surveillance de seconde génération VIH, couplée au biologique SSG 2015, montre, comme les précédentes, des disparités au sein de certains groupes socioprofessionnels, dont les forces de défense et de sécurité, au sein desquelles les tendances sont à la hausse, même si la séroprévalence reste toujours dans la fourchette de 0,4 en 2011 à 1,1 quand même en 2015. Ainsi, les résultats de cette enquête SSG 2015 montrent que les acquis obtenus peuvent être compromis si les efforts ne sont pas mis en adéquation avec la forte exposition à laquelle font face les forces de défense et de sécurité par ces moments. Ces récents résultats, loin de nous décourager, doivent au contraire nous amener à être plus vigilants car nous avons le devoir de maintenir nos forces en bon état de santé. Voilà le ministre de l'Intérieur assurant l'intérim de celui de la Défense avec euh, un accent particulier, euh, une pensée particulière aux forces de défense et de sécurité qui sont exposées euh, au VIH-Sida. Avant le ministre, vous avez écouté, chers invités, la coordinatrice de, intersectorielle de lutte contre le sida, Madame Zenabou, docteur Zenabou, sur le problème de sécurité qui ne favorise pas la situation sur les ARV, sur euh, la discrimination, le dépistage. Euh, peut-être un mot sur euh, ce groupe de défense, ce groupe qui est un peu exposé, docteur, les forces de défense et de sécurité. Bon, merci. Je suis vraiment d'accord avec surtout le, ministre, hein, parce que dans ce groupe, les forces de défense et de sécurité, à un certain moment, faisaient partie vraiment des populations clés où on a une forte prévalence, en tout cas autour des années 2005 jusqu'en 2010. Mais après l'enquête de seconde génération de 2012, on a constaté une baisse de la prévalence dans ce groupe-là. Et à, l'époque, on, rattachait ça au fait que dans chez les militaires, systématiquement, chacun est testé. Et les positifs sont, d'une certaine façon, obligés à prendre leurs médicaments par leur supérieur hiérarchique. On pensait que ça a purement Pour le moment, l'enquête de seconde génération 2015 n'est pas officiellement sortie, mais j'étais vraiment surpris qu'ils soient, revenus encore à 1,1%. Là, mm. c'est vraiment une grosse, grosse recul si c'est comme ça, c'est pas bien. Je ne saurais pas expliquer qu'est-ce qu'il y a à la base. je n'ai pas vu l'étude, mais si c'est comme ça, c'est vraiment c'est un recul. C'est un recul, euh, Alors, en dehors des forces de défense et de sécurité, quels sont les groupes qui sont exposés, Président, que vous pouvez euh, citer Les groupes qui sont exposés en dehors des forces de défense et de sécurité, je crois que euh, la coordinatrice nationale y a les cité dans son intervention. C'est le jeune, de manière générale, la jeunesse, le professionnel de sexe, euh, les hommes ayant des relations sexuelles avec euh, les hommes, euh, communément appelés les populations clés. Donc ils sont extrêmement exposés au virus. Maintenant, le médecin spécialiste dit qu'il ne connaît pas la cause. La cause est simple. C'est parce que depuis un certain nombre d'années, il y a eu une relâche complète, c'est-à-dire de la prévention en réalité. Et puis, un certain nombre d'années, il n'y a plus de séances de sensibilisation à tous les niveaux. Donc, y compris au niveau des forces de défense et de sécurité. Et les générations changent. Ceux qui ont été sensibilisés en 2005, 2006, 2007, ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain aujourd'hui. Et si on fait 4 ans, 5 ans, sans sensibiliser les nouveaux recrues, c'est un danger. Donc, les problèmes problème à ce niveau-là. Et depuis un certain nombre d'années, on a décrié ça. On ne peut pas focaliser tout ce qu'on mobilise. La coordinatrice a dit dans son, intervention que les Fonds mondial euh, ils ont pu mobiliser 10 milliards, il a dit, de francs CFA. Il n'y a pas que les Fonds mondial il y a 20 millions de dollars qui ont été mobilisés à travers la Banque mondiale aussi, injectés dans le même domaine. Mais avec tout ça. En l'espace de combien d'années Tout ça, là, en l'espace de ces trois ans. Et s'il vous plaît, s'il faut concentrer tous ceux qui ont mobilisé avec le Fonds mondial sur, oui, la prise en charge, sur laquelle peut-être on va revenir. On va revenir sur, on va on va revenir parce que même là, il y a des difficultés. Peut-être que le temps va, revenir là-dessus. Donc la cause principale, hein, c'est vraiment manque de, manque de sensibilisation ah. des populations de manière générale. Docteur, la prévention, c'est d'ailleurs le thème de, de, cette journée mondiale. Quelle est son importance et en quoi doit-elle consister La prévention, pas seulement pour le sida, la prévention est importante dans tout. Vaut mieux prévenir comme que guérir, comme on dit. Vaut mieux ne pas attraper la maladie. Si on peut l'éviter, vaut mieux ne pas attraper pour ne pas avoir besoin de se traiter. Maintenant, comment il faut prévenir Moi, je pense, si on doit prévenir, on doit s'appuyer surtout sur deux à trois volets. Je suis d'accord avec le président. La sensibilisation, je suis d'accord. Mais je sais que dans ce pays, il y a eu tellement de séances de sensibilisation, il y a eu tellement de déplacements à l'intérieur du pays, il y a eu tellement de gémissons sur la radio. Peut-être qu'il y a eu relâchement, je ne suis pas contre. Mais si on s'appuyait sur trois choses, les patients dépistés, correctement traités, quelqu'un qui est bien traité, Aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé prend comme moyen de prévention le plus important le traitement. Il faut traiter ceux qui sont dépistés. Mais là, pour traiter quelqu'un, il faut le dépister. Donc le dépistage, jusqu'à présent, le Niger n'a, il n'y a pas 10% de Nigériens qui connaissent leur statut sérologique au VIH. Les jeunes se sur l'ensemble du pays. Sur l'ensemble du pays. Et on pense, pour maîtriser une maladie, surtout le VIH, il faut au moins connaître 90% des malades. comment ça. Si on connaît 90% des malades et qu'on traite ces 90%, on est sûr d'arrêter la transmission des nouvelles infections. Imaginez un pays qui a encore moins de 10% de la population dépistée. Ça, c'est le deuxième point. premier point traité, deuxième point dépisté. Et le troisième, euh, troisième point, c'est d'une certaine façon le dépistage, mais les femmes enceintes c'est le plus simple que si le Niger arrive à maîtriser ça, ça peut bien donner de la prévention. On dit il faut que la personne accepte. Il faut que la femme, donne son, euh, son accord. Mais il va donner naissance à un enfant. Cet enfant n'a pas choisi d'être malade. Pour une grossesse, ailleurs, toute femme enceinte est dépistée. C'est systématique. On n'a pas besoin de demander. Aujourd'hui, il y a des femmes qui passent dans les centres de santé les, sages-femmes sont fatiguées. Ils disent, tu veux qu'on te fasse le texte Non, non, moi je suis d'accord, sort. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Il faut expliquer. Si on ne peut pas expliquer, il faut faire le dépistage systématique à toutes les femmes enceintes. Moi, je l'ai dit en tant que médecin, je ne dis pas en tant que juriste. Je dis c'est le droit de chacun. Mais le bébé là, qui va naître, il faut qu'on le protège parce que si on traite sa maman, il va naître en bonne santé. Si on applique les trois points là, je ne dis pas que la sensibilisation n'est pas nécessaire, la sensibilisation est toujours nécessaire, mais il faut faire avec les petits pas. Merci. Euh, euh, président euh, Aboubakar Sidikou, euh, il y a ce volet-là que le docteur vient d'évoquer, la PTME. Mm. C'est quand même un volet qui a engrangé beaucoup de, beaucoup de, de sous, pour parler plus clair. Mais est-ce que ça a eu des résultats quand même sur le terrain est-ce qu'aujourd'hui, euh, la PTM est une réalité Écoutez, là, on ne peut pas dire que la PTM n'est pas une réalité sur le terrain. Tout comme on ne peut pas dire que tout est rose. En tout cas, la PTM marche dans certains endroits. Donc la transmission mère-enfant. Mère-enfant, tout comme dans certains endroits, ça ne fonctionne pas du tout. On connaît le terrain, nous sommes aussi des hommes du terrain. La PTM, c'est nos sœurs, c'est nos femmes qui vont dans ces maternités-là. Les difficultés qui sont rencontrées sont énormes. Il pas... y, a, y, a les moyens, vous avez parlé de l'argent. C'est pour va, on va revenir sur, la prise en charge de manière générale. C'est peut-être l'occasion d'y entrer puisqu'on n'a pas. Voilà, parce de que en réalité, et pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, le docteur disait tout à l'heure, qu'il insiste sur trois points. Il dit dépister et traiter. pour dépister, je reviens sur la sensibilisation. Pour dépister, il faut sensibiliser. Pourquoi on a des difficultés La coordinatrice a dit dans son intervention qu'il faut retrouver, à partir des 14 000 qui sont sous traitement, et qu'il faut rechercher ceux qui ne sont pas encore connus. Mais pour les trouver, il faut sensibiliser, je dis bien. Ceux qui sont aujourd'hui sous traitement, le 14 000 là, c'est parce qu'ils ont été sensibilisés il y a plusieurs années de cela. Ce n'est pas du hasard. Nous sommes d'accord qu'aujourd'hui, la personne malade traitée est un danger de moins pour la communauté. Parce que le spécialiste qui est devant moi le connaît mieux que moi. Il a 99,99% de chances à ne pas transmettre son virus à quelqu'un d'autre. Donc, c'est un moyen de prévention aussi, le traitement. Mais je dis, pour avoir les gens, les amener à faire le test pour pouvoir le traiter, il faut les sensibiliser. Sans cette sensibilisation, on va aller c'est cogné à l'échec en 2020 ou je ne sais pas, c'est en 2030. Mhm. C'est ça que vous prévoyez. Alors, je suis sensibilisé, je suis patient, je suis sensibilisé, mais il y a cet aspect de prise en charge. Vous, vous êtes euh, dans un hôpital. Comment ça se passe Est-ce que effectivement, la, la, coordinatrice a parlé des moyens, des ARV qui font partie de la prise en charge Est-ce qu'il existe C'était confirmé. Merci. Il y a des arrivées. Il y a des RV en ce sens que. Donc ça c'est le produit, c'est un des produits. Expliquez-nous ce que c'est. ARV, c'est les antirétroviraux. C'est des produits qu'on utilise pour bloquer la multiplication du virus. Les produits là ont cette capacité d'empêcher au virus de se multiplier. Si le virus ne se multiplie pas, il ne va pas tuer les CD4 comme je l'ai dit. C'est ça le principe. Les ARV ne sont pas comme les antipalidiens qui suppriment le palu du corps de la personne. Les, ARV, je préfère encore utiliser des, métaphores prenons par exemple dans un quartier un voyou, un bandit qui fait des dégâts. On les prend, on les met en prison. Tant que les gardiens de la prison sont là, il ne va plus sortir. S'il ne sort pas, il ne va pas faire de dégâts. Le jour où il n'y a plus ses gardiens, il va sortir, il va faire ses dégâts. C'est la même chose. Le VIH est dans l'organisme. Tu prends les ARVC. les ARV sont comme les gardiens. Ils vont le bloquer. <coughs> Pardon. Il ne peut pas, le virus ne peut plus sortir. S'il ne sort pas, il ne va plus le faire. Il ne va pas se multiplier. S'il ne se multiplie pas, celui qui est malade ne va plus contaminer parce que les virus qui sont dans son corps ne se multiplient pas. Et de l'autre côté, il va vivre bien parce qu'il n'y aura pas de virus qui vont détruire son système immunitaire. C'est ça le principe. Et c'est des produits qui sont là, qui sont gratuits. Qui sont là, qui sont gratuits pour les malades, mais qui c'est des produits qui coûtent excessivement cher que nos partenaires et le Niger mettent à la disposition de nos patients. Et que je suis d'accord avec ce que la coordinatrice a dit, il y a des ARV pour traiter les malades, surtout les malades nouveaux comme sous première ligne. Parce que quand, eh, quand un malade est dépisté, il y a ce qu'on lui donne d'abord. C'est un traitement très efficace, très fort. Mais malheureusement, c'est certain, du fait de certaines choses, ça échoue. Quand ça échoue, on doit changer. On doit changer de ligne. Et nous, praticiens, qui ne sommes pas les gens du programme. On a ce problème-là que nos patients qui sont en échec de première ligne on a toujours cette hantise, est-ce qu'on aura des ARV pour eux Parce que de plus en plus, ça devient difficile. Pour les partenaires, l'important, c'est la santé publique, c'est traiter le maximum les nouveaux cas. Les nouveaux cas. Mais pour les échecs, on a des soucis. Mais je ah. suis d'accord, il y a les ARV pour la première ligne. Euh, les ARV existent. Vous êtes vous vous en prenez. Et chaque fois que vous en avez besoin, vous en avez. Non Oui, bon, fait, euh, dans l'intervention de, la coordinatrice, euh, le journaliste avait posé cette question qui paraît-il à un moment donné, il y avait eu une rupture. Je voudrais un peu apporter un éclaircissement à ce niveau. À un moment donné, c'est vrai, il y a eu une pré-rupture. C'est-à-dire on a senti, à un moment donné, comme si les ARV allaient disparaître. Parce qu'un patient qui se présente généralement devant son euh, médecin. qui lui prescrit une dotation de trois mois. Il vient un jour, on lui dit non, ce n'est plus trois mois, maintenant on vous donne pour deux mois parce que la quantité n'est pas suffisante pour donner trois mois. quelques temps après, tu viens, on te dit ce n'est plus deux mois, maintenant c'est un mois. Donc, euh, ça alerte. Donc, c'est ce genre de situation qui s'est posée et on a un système de veille on a un observatoire communautaire euh, euh, qui vit sur ces genres d'aspects. Donc, dès qu'on a euh, ces genres de situations constatées, on alerte, on interpelle qui de droit les autorités en charge de la lutte, les partenaires, on les interpelle au niveau national, si possible même au niveau international, pour qu'il y ait une solution très rapide. Mais j'aimerais mettre l'accent sur euh, ces points, la prise en charge. Hervé, le médecin spécialiste qui est devant moi sait très bien que les ARV ne suffisent pas pour prendre en charge un patient PVVIH, vivant avec le VIH. Il faut quel autre produit Il a dit la mission des ARV. La mission des ARV, c'est de garder le virus, contrôler le virus. Et s'il vous plaît, un patient, un malade qui vient dans un hôpital, lui c'est un praticien, et il intervient dans un hôpital, un patient peu qui vient malade, on l'hospitalise. Il n'a pas besoin qu'il les Il y a beaucoup d'autres choses dont il a besoin au niveau de, l'hôpital. Donc je ne connais pas le nom, le spécialiste est là, il, va le dire. Oui, docteur. Il va le dire, mais je sais que... Vous va nous aider à comprendre ces autres choses dont les patients ont besoin et peut-être qu'ils manque Permettez-moi juste de conclure, avant de lui donner la parole pour qu'il nous donne les détails. Je sais que la semaine passée, Seulement, moi, j'accompagne les patients qu'on m'a confiés. Et je sais que la dépense qu'ils ont fait à l'hôpital dépasse les 300 000 francs CFA. Alors que. Alors... dire que la gratuité dont les gens parlent et qu'ils mettent sur le média, la prise en charge est gratuite. La gratuité dépend de la disponibilité des produits, pas seulement le produit antirétroviral. Il y a quelques années, il fut être directeur du centre de traitement ambulatoire CTA. Quelques années, on hospitalise un patient pour une heure, deux heures de temps. Tout, euh, dont il a besoin est disponible. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et ça, c'est partout au Niger. Pas seulement le Niger est vaste, c'est parce que... Non, ici à Niamey, j'ai dit, le problème se pose. Docteur, vous confirmez cela Et Je confirme. Et si, on, si vous avez compris ce qu'on vous a dit, que ça veut dire le sida, le problème ne se pose pas. Dès qu'on arrive au stade où il n'y a plus d'immunité, il y aura des maladies opportunistes. Il faut traiter ces maladies opportunistes Les arrivés ne vont pas traiter les maladies opportunistes. Il y a la tuberculose, il y a la, la toutes les autres maladies. Il faut... Mais ce qu'on veut, c'est d'épicer les gens avant d'être à ce stade-là. C'est ça le problème. C'est pourquoi on dit qu'il faut dépister tôt. Il ne faut pas attendre être sida euh, stade sida avant de se faire dépister. Si on arrive à dépister les gens avant qu'ils ne soient au stade sida, il n'aura pas besoin de ce traitement dont il a dit. Mais malheureusement, comme les gens ne se dépistent pas, on laisse à ce que la maladie se dépiste. Parce que le sida, il faut qu'on le dise. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Que j'accepte ou non de dépister, le sida va se dépister. Je sais pas si tu me fais. À un moment ou non. À un moment ou non. Donc si moi, je pars me dépister avant d'être malade, j'ai toute la chance de rester non malade jusqu'à la fin de ma vie. Mais si je laisse à ce que le sida se dépiste, cette fois-ci, non seulement les gens vont savoir que je suis malade, non, je vais faire des dépenses énormes parce que l'État, les partenaires ne prennent pas ça en charge, comme Mega ah, vient de le dire. 100%, donc c'est pas, pas, à 100%. C'est seulement les arrivées maintenant les ARV, le cotrim et quelques bilans, les examens. Mais le gros lot de traitements pour traiter les maladies qui profitent du sida ne sont pas pris en charge. On va prendre un autre aspect de, la prise en charge du, VIH, c'est la discrimination, le dépistage dont on va parler sur l'aspect discrimination, stigmatisation. Euh, la coordinatrice en a parlé, certainement que vous vous en savez. Alors, comment ça se manifeste Il y a eu beaucoup de progrès. Hein. Avant, c'était difficile de vivre avec euh, euh, une personne séropositive, une personne VIH. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Pourquoi la discrimination a aussi beaucoup d'impact encore Bon, alors, je reviens sur euh, ma première position hein, par rapport à cette sensibilisation. À l'époque, même vous, les hommes du médias. Certains d'entre vous ont, peur de tendre vos micros à l'époque, à un PVVH. On a connu ça dans ces pays. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas de difficulté à nous inviter. rester à côté de nous et causer avec nous. C'est parce que, quelque part, vous avez été sensibilisé et conscientisé par rapport à la situation. Nous sommes d'accord Donc, la stigmatisation, et la discrimination dont elle a parlé, qui est un des facteurs qui fait que les choses n'avancent pas. Rien ne peut la faire régresser que la sensibilisation. Parce qu'il faut sensibiliser les populations pour qu'ils comprennent mieux la situation afin de changer leur mentalité. On ne peut pas changer une mentalité si la personne n'a pas été bien sensibiliser sur la question. Si la personne ne sait pas pourquoi il doit changer sa mentalité, pourquoi, pourquoi on, va, espérer chez cette personne-là un changement de mentalité. Donc, alors, pour, pour, montrer que ça a avancé, quand même, il y a une loi qui a été votée. Et qui a, il y a des insuffisances aussi. Qui a des insuffisances, c'est de ça qu'elle a voulu parler quand elle parle des décrets d'application. Et c'est là où je vais revenir sur vous avez une minute. Après, on va donner docteur pour conclure. Il faut, la gratuité dépend de la disponibilité et des précisions. La loi est vague. Maintenant, il faut avoir des décrets d'application qui va clairement dire qu'est-ce qui est pris en charge gratuitement, qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce qu'on dit la prise en charge est gratuite. Et beaucoup de patients sont dessus quand ils viennent dans les centres aujourd'hui. Parce que c'est qu'on leur dit, dehors n'est pas la réalité qu'ils vont vivre quand ils sont dans les centres de santé. Mhm. Donc il faut un décret d'acquisition qui va nous dire qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui n'est pas. À notre connaissance, comme elle l'a dit, elle a eu je suis très content elle-même a annoncé qu'avec le Fonds mondial, on a mobilisé 10 milliards. Et le Fonds mondial est dans ces pays-là aujourd'hui. Je viens de quitter une réunion avec le Fonds mondial. Et ils vont nous annoncer une nouvelle enveloppe le 15 de, de ce mois pour le Niger et pour les trois années à venir à partir de 2018, s'il vous plaît, dans ces subventions-là, il n'y a pas que les ARV. Mais, euh, le, euh, docteur Anti vient de parler, il, vous a évoqué CD4. Il n'y a pas que CD4, il y a plusieurs examens qui sont pris en charge à travers ces subventions-là. Mais je vous dis, actuellement, dans, dans ce pays-là, dans certaines régions, je ne vais pas citer pour le moment, parce que nous sommes derrière le dossier, on aurait appris qu'on est en train d'obliger à des patients de payer des examens qui sont censés être pris en charge gratuitement. Alors, docteur, la loi sur le VIH, en quoi ça peut aider hein? Vous avez une minute. Merci. C'est une loi euh, uniquement pour euh, les patients, euh, le, VIH de façon générale. C'est un peu spécial. n'est pas pour toutes les maladies. J'ai du mal, à comprendre la discrimination. C'est une réalité. Et la jusqu'à discrimination, jusqu'à aujourd'hui, les premières personnes responsables, c'est d'abord nous, agents de santé. Ça, je le reconnais. La discrimination, c'est une réalité. Mais moi, ce que j'ai toujours dit à mes patients, je m'en fous de celui qui dit que j'ai le sida. Moi, le problème, c'est le sida. J'ai eu l'habitude de discuter avec le président, je ne sais pas s'il se rappelle, et il dit non, c'est parce que tu n'as pas le sida que tu penses que ce n'est rien. Moi, je pense, vaut mieux m'occuper de ma maladie, prendre mes médicaments et prouver à l'autre qu'il a tort, que de fuir le centre, tomber malade et lui prouver qu'il a raison. C'est pas si simple quand même. C'est pas si simple, mais parce que quelqu'un m'insulte et parce que quelqu'un me, provoque, je vais venir toujours travailler à l'hôpital parce que c'est là-bas que je vais gagner à manger. Pour moi, la discrimination ne doit pas empêcher d'aller au centre. Ce qui empêche le plus, c'est le manque de moyens. Voilà, merci beaucoup pour euh, ces précisions euh, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida. Merci à vous, docteur Anki. Merci à vous, euh, Aboubakar Sidoukou, président de la Fédération nigérienne des personnes vivant avec le VIH. Ici s'achève euh, notre forum d'aujourd'hui. Peut-être demain, nous allons revenir sur d'autres aspects de, de, cette maladie, le lien notamment avec la co-infection. Voilà, merci d'être venu. Merci à vous, chers auditeurs. Bonsoir et à demain.